Soyez les bienvenus à une autre édition de notre illustration de notre pasteur Kumoye. Le méchant, le méchant sera tourné au, à l'enfer et même le ministère. La vie profonde la vie profonde, le musée de la vie profonde, on a toujours eu des retraites. Et ces retraites-là, on arrive, on invite beaucoup de personnes. Et, et ces jours-là, on a l'évangélisation. Et chaque retraite, chaque voie, chaque, chaque bus, dans, les, dans les taxis, n'importe où, on les, vous les voyez ans. Répentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Et quand ils descendent et quelqu'un commence à les opposer, il dit Qu'est-ce que tu prêches Il dit Repends-toi car le royaume de Dieu est proche. Il dit Je parlais à toi, je disais que je disais que tu vas, si tu, si tu meurs dans le péché, tu meurs dans le péché, tu vas dans l'enfer. Tu dis, il dit alors tu peux te repentir. Ministère de la vie, ministère de la vie profonde chrétienne on peut homme, peut même avant, on s'engenouait avec les pécheurs, même dans les citations, dans les voies, pour prêcher, pour prier pour les pécheurs, pour qu'ils soient sauvés. En même temps, en même temps que cette personne soit née de nouveau, on fait comme ça, on l'amène, on prend son adresse. Quand vous étiez église de la vie profonde, hein, la question va dire quand ils étaient, quand ils étaient, de la vie que faut en ce moment. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont ils, sont ils sont maintenant normal, normal. Il dit on ne doit pas l'étude de la Bible, on ne doit pas prier beaucoup de choses. Quand, quand il suit cette personne, il le suit de sa maison. Il dit maintenant que tu es nouveau, tu dois être sanctifié. Maintenant, parce qu'il savait que sans la sanctification, tu ne verras, tu ne verras pas le Seigneur. Il dit béni soit celui, il dit en ce moment-là, il va, et des abominables, et tous les menteurs, les sorciers n'ira pas au ciel. Tout ce qu'ils savaient, vous croyez que la seule chose qu'ils lisaient en ce moment, c'est seulement que la, la Bible. Alors je ne sais pas, je ne sais pas que en ce moment, je ne sais pas si à ce moment, ils savaient qu'on appelle quelque chose journal, les journaux, les, les, les films, les quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Chaque moment, ils ne font que la Bible. Mais après cela, ils ont commencé à se mélanger avec les autres personnes. Ils ont commencé à se réaliser, à dire, ah, nous ne sommes pas les, seuls eh, chrétiens dans ce monde. Ils, ils prennent, oh, ils, ils ne prêchent pas longtemps. Il ne prêche pas maintenant hautement. Il ne prêche pas maintenant rapidement. Il ne prêche pas la repentance. Il ne prêche pas même la repentance. Il ne croit pas que tout le monde doit être saint Ils il le prennent comme normal. Et ils ont, on a commencé à apprendre de ces personnes qui font ces choses, de ces églises qui font ces choses, oubliant la parole de Dieu, oubliant la grâce, la, grande, la grande commission, la vie qui dit Allez dans tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Allez-y dans tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Je sais, je connais certaines personnes qui n'ont jamais fait, euh, qui sont seulement quittés hors de notre comté, de notre milieu pour aller prêcher la parole de Dieu. Je sais personne, personne. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais quitté ce lieu pour aller prêcher la parole de Dieu ils ont commencé à voir d'autres personnes, ils ont commencé à voir ces personnes, ils ont oublié la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la commission de Dieu, le commandement de Dieu, et ils ont commencé à oublier Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu aussi a commencé à dire, à dire, ah, j'ai pitié de ces personnes là-haut. Oh. ils, sont en train de suivre ces personnes qui m'ont oublié et ils ne respecte personne, alors moi je ne respecte personne, je n'ai d'acception de personne. N'importe qui, à n'importe quel moment, qui va se rejoindre dans cette personne qui me, qui m'oublie, qui, moi aussi je vais les amener dans l'enfer. Et ces personnes ce jour-là qui vont se rappeler de la part de Dieu. Fils de l'homme, je t'ai rendu comme surveillant, sentinelle sur la maison d'Israël. Alors ouvre ta bouche et avertis-les. Alors si je dis à ce pécheur, tu mourras dans ce pécheur, et tu ne l'avertis pas, Dieu te demanderai son sang. Et ces personnes qui le fera. Voir ces personnes qui allaient, allaient, allaient prêcher la parole de Dieu, allant partout, prêchant disant, prêchant à leur, euh, à leur famille, membres de famille, à leur père, à leur mère, à leurs membres de famille, n'importe, les amis, disant que Jésus-Christ les aime, soyez sauvés, soyez purifiés. Et ils allaient, ils se sont concentrés à la parole de Dieu. Ils se sont rappelés que et je les bénirai. Mais aujourd'hui, ils ont oublié toutes ces choses-là. Et Dieu dit, le, le, le, le méchant, les méchants, le méchant aussi sera le méchant ira en enfer. Je sais que tu es tellement béni à travers cette illustration. Sois béni. Ne laisse, de garde pas cette illustration à toi-même. Il faut le partager aux autres personnes. Et le Seigneur sera béni. Et ceci sera une bénédiction à quelqu'un d'autre autour. S'il plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine pour notre illustration, notre pasteur Koumoui. Sois béni au nom de Jésus.